Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous sommes venus amener notre modeste contribution pour le Grand Magal de Touba, comme nous le faisions chaque année. C'est aussi pour nous l'occasion de dire merci à Serigne Montaha Merci Serigne Touba, Serigne Touba. L'année dernière, nous, étions là et nous lui avions demandé de faire des prières pour que notre travail soit pérenne. Nous lui disons merci parce que depuis lors, nous ne sommes pas au chômage. Sous l'égide de Sokhna Mam un accord était noué avec la Sonacos. Et jusqu'à présent, cet accord-là est, de vigueur. sous, les instructions du président de la République, bien mené par l'ancien directeur et, qui continue aujourd'hui avec le nouveau directeur général Diagne Fada. C'est pour nous l'occasion de dire merci au Khalif, puisque toutes ces prières sont exaucées. C'est aussi pour nous l'occasion de dire merci au président de la République, c'est sur instruction, comme l'a dit Mme Bakay tout à l'heure, c'est sur instruction du président que ce contrat est noué. Et jusqu'à présent, c'est des milliers de jeunes qui travaillent à cause, grâce à ce protocole. C'est aussi pour nous l'occasion d'exhorter les autorités pour leur dire que tout n'est pas parfait dans la vie. Nous avons des doléances par rapport à notre travail. Puisque, comme vous le savez, chaque année, il y a quand même une spéculation due aux Chinois qui viennent acheter les graines d'arachide au Sénégal. Cela pose problème. D'autant plus que exporter les graines d'arachide nous, empêche de travailler. un gouvernement vraiment responsable ne doit pas permettre qu'on exporte les graines d'arachide, ce qui nous permettra, ce qui nous empêche de travailler. Nous exerçons le gouvernement de leur dire que les graines d'arachide qui sont produites localement, ont acquérir parce que le Raziat aujourd'hui a les capacités de produire toutes les graines d'arachide produites au Sénégal. C'est pour nous aussi l'occasion d'exhorter le gouvernement d'accélérer le processus pour la création d'une zone industrielle. C'est un projet qui existe, puisque nous sommes aujourd'hui à l'étroit dans la zone de Touba. 150 usines dans, un dans une ville, ça pose problème. Le gouvernement du Sénégal, le président Maxal nous avait promis une zone industrielle. Le projet existe, mais nous demandons que ce soit accéléré, puisque aujourd'hui, beaucoup de nos usines ne peuvent pas fonctionner durant l'hivernage, d'autant plus que les routes sont impraticables. Nous avons des problèmes pour l'approvisionnement en, électricité, puisque euh, la ville n'avait pas prévu 150 usines. Puis ça pose problème. Nous demandons au gouvernement de nous aider par rapport à tous ces problèmes. Mais l'occasion aujourd'hui, c'est de dire merci. Merci en plus qu'à cette période-là, nous étions tous au chômage et aujourd'hui nous sommes tous au travail. Donc c'est une journée pour dire merci en général. 2000 litres d'huile euh, et, un lot amené par nos amis de la Sonacos et tout ça. Nous sommes venus avec un lot. C'est une modeste contribution, mais c'est un devoir, puisque comme l'a dit son membre, nous sommes prêts à accompagner, à aller voir tous les califes généraux pour les accompagner. il y a de cela trois mois, nous étions venus ici amener une voiture pour le Safinatul Aman. C'est notre, notre devoir de participer à tout ce qui se fait dans la ville sainte de Touba puisque nous le devons à Serigne Touba. Li ben ci addiya yi ñi joxe ci biir magal gi la ndax amna na yeneen kilifa yo xam ne nañu dem séti len ñom itam yóbbu leen seen addiya waye ku nekk xam né bo boo joxee addiya ci magal gi ci khalifa général des mourides fa nga ko war a ah, li ñu indi toll na ci junniy litre diwlin ah, ñu participer ko euh, dans un premier temps ak ay basang ak ay satala euh, jox ko khalifa général des mourides xeb nañ ko lool euh, xam naa ne yeneen fan yi di ñëw di ngeen ñu dégg si yeneen këru euh, kilifa euh, ngir ñu yóbbu suñu participation ci màggal gi. def mooy sant son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci suñu diggante ak Sonacos ndax xam nañ ne projet bu toll nii bu duggee Touba ci ndimbalu président de la république la la doon ndax ku nekk xam na ne Sonacos société nationale la donc ñun dañuy sant président Macky Sall bu baax vraiment jafe-jafe yi Razia di di jànkoonteel bariwul xana bëgg rek toujours ñu yokku capacité gerte gi nga xamné moy duggu Touba euh, parce que tay xam nañ né bis bu set ñi ngi gën am ay adhéré am na ñu ñuy bëss ñuy ñëw di ko ay usine di gën a adhéré ci biir raziat euh, té que ñun loolu lañ doon ñaan dañ doon ñaan raziat mag ba génn Touba dem ci yeneen dëkk yi nga xamné ne nekk biir Sénégal euh, loolu mo doon objectif projet bi loolu mo doon objectif ñu créer association bi donc kon dañuy ñaan ci nimbalu président ak ci nimbalu directeur général bu Sonacos monsieur Mamadou Diagne Fada di sante sant itam bi mu ñëwee légui vraiment def na une excellente excellente travail ci biir Sonacos ak Rasiaat euh, donc dañu leen gëna ñaan rek ñu gëna a capacité gerte gi xamné ne mom moom mais yàlla main d'œuvre locale usines yi gëna na yokku et que nit ñi gën nañu engagé parce que actuellement nii nit ñi dañu gëm projet bi donc gën nañu engagé pour que liguey ak Sonacos donc dañuy ñaan ñu yokk capacité gerte gi. सफर